la famille Afrique commence à me plaire, quoi. Hein? Afrique tana nan tafirge ni la famille même au Sénégal en pleine réunion on est les gars attachés, tu non? sous son français sous ba su l'armée française, ta zamna tout cikin kasar de l'armée française, can au au France sous ma pas son français sous su sous su sous su sous sous ma son cice non Macron la France dégage l'armée française du Sénégal écoutez-le attentivement c'est juste là le Sénégal n'aurait pas dû participer, ou en tout cas contribuer à dire qu'on va aller bombarder le Niger. D'autant plus que le président de la République a fait des selfies avec celui qui a fait le coup d'État au Gabon. Ça fait un deux poids, deux mesures que rien ne peut justifier, que rien ne peut expliquer. Monsieur le ministre, euh, Macron a annoncé qu'il allait réduire le nombre de militaires et faire une cogestion de la base militaire. Nous voulons être clairs, nous ne cherchons pas une cogestion. L'armée française doit retourner chez elle. Elle n'a rien à faire en Afrique ni au Sénégal. Tant qu'il n'y aura pas de base militaire sénégalaise en France, il ne doit pas y avoir de base militaire française ici, au Sénégal. Donc l'armée française doit partir. L'armée française ne doit pas rester ici. Armée française dégage. l'Afrique. Ça commence à me... Moi, Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers de les savants ancestrales. Afrique qui chante ma grande-mère au bord de son fleuve l'autre. Je ne t'ai jamais connu. Même on regarde plein de ton sang, ton beau sang noir à travers les champs rependis, les champs de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage, l'esclavage de Macron. Macron, Oh, l'Afrique s'est réveillée. Les grands. Ah. Allons-nous prier. Moutemu Isala. Outenir Moukoy Djengarmi. Namanti, je vous love, je vous tente, je vous mouais.